Jeudi 17 mai 2023. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h à Yamé et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, Rabia Mekano et Maria Madé. Comment vas-tu ce matin, Marie Tranquille, bébé, et toi Ça va, super. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui nous débutons cette édition avec le flash d'information et dans notre rubrique Entretien du jour, nous serons avec Wassim Nass, journaliste et spécialiste des mouvements djihadistes. Avec lui, nous ferons l'état des lieux de la situation sécuritaire au Sahel et au Niger. Et eh oui, Bibi, nous irons ensuite en région, plus précisément à Dosso, pour découvrir la création d'un jeune de la région. Nous parlerons également d'environnement dans la rubrique Hebdo, la chronique Lotti préparée par l'équipe femme du studio Kalangu et la page sport. Sans oublier la dose musicale. Voilà. Chers auditeurs, l'édition est assurée par Adama Dawaki et la technique par Seini Isaka. On débute cette émission avec le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour oui. Mokhtar. Oui, bonjour Maria Ade. Bonjour Rabia Mekano. Nous débutons le flash d'information de ce mercredi par cette cérémonie de réception ce matin à Dosso de la route nationale numéro 7 Dosso-Bella 2. Une section de route longue de 83 km dont les travaux de la réhabilitation ont été officiellement Lancé lancée en novembre 2020 pour une durée de 20 mois. La RN7 est une voie stratégique dans le développement économique du Niger. Elle relie, elle relie au port euh, des pays de la côte Bénin et Togo notamment. Les travaux de la première conférence internationale de haut niveau sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme se sont ouverts hier à Niamey. Trois jours durant, les participants à cette rencontre débattront autour d'une dizaine de panels euh, qui portent principalement sur l'identification des problèmes, la recherche des solutions, le partage de bonnes pratiques. Cette conférence internationale est organisée par le gouvernement nigérien en collaboration avec la délégation de l'Union européenne au Niger et avec l'appui technique de la mission ECAP Niger. Le ministère euh, de l'Agriculture et le Millennium Challenge Corporation MCC ont organisé hier après-midi une cérémonie informative sur le projet d'appui du secteur euh, d'engrais au Niger. Le but est d'éclairer la population, notamment les bénéficiaires, euh, sur les subventions des engrais du projet. Euh, sur notamment comment accéder aux engrais mis à leur disposition en vue de rehausser la production agricole au Niger. C'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 17 euh, euh, mai 2023. Passez donc d'agréables moments en compagnie de nos collègues Rabia Mekano et Mariama Adé pour la suite de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci Mokhtar, à bientôt. Comme annoncé en début d'émission, nous allons écouter un entretien accordé par Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes. Avec lui, nous allons parler de la situation sécuritaire au Sahel et au Niger. Il nous dresse un peu l'état des lieux. Mais avant d'entamer cette discussion, écoutons notre première balade musicale Mariam. On vous propose Kodok de El Grincho, de la pure trappe pour secouer cette matinée. Yeah. Yeah, man. Prrr. Biggity biggity boom. El Grincho. Afrik Clash microphone bonkono. Freeway Sprout. <laughs> yeah, man. Abochina. Ya ana sallah ba kuma ana ce maka ba matanka ba kana hidda wando. Prrr. Kadak. Kadak. Africa Clash microphone bonkono. Kadak. Shut up, They bang Gijn is in a corrupt Afrika clash mic for a Makono corrupt Shut up, corrupt, corrupt Africa clash mic for a Makono corrupt Shut up, They bang Gijn is in a corrupt Afrika clash mic for a Makono corrupt Shut up, corrupt c'est parti, c'est parti, ouais, c'est reparti. Grincho, je reviens dans la partie. Ce n'est pas pour perdre la partie, mais plutôt gagner la partie. C'est parti, ouais, c'est reparti. La partie vient de commencer. Et toi, tu oses me tester. Comment peux-tu me détester Avec tes tests insensés. Je sais comment flow est boosté. Garde à toi que je vais te coster. Tout de suite, je vais t'anester. Face à moi, tu n'es qu'une mocheté. Face à moi, tu n'es qu'une tacheté Tout de suite, je vais te fumer comme si tu étais de la tête de Kiffe ses paroles sensées, qui fait popo dans mon cerveau, qui fait popo dans le micro, qui fait popo dans la sono, qui fait popo dans le studio, qui fait popo à la radio, qui fait popo à la promo, et puis popo dans ton ghetto. Africa clash microphone, no no up Shut up, they bang les listen a up Africa clash microphone, no no up Shut up, up. yara ku zo ku gane ni saboda babu kamar ni ko ne kuna bukata kawai ku zo ku gane ni ku zo ku gane ni in ku in ku abun da kuke so kudi kuke so in ku sefa kuke so in ku nera kuke so in ku ko dola kuke so in ku waka kuke so in ku hauka kuke so in ku wada kuke so in ku yanzu gani gaban ku dan menene kana roko abunda kai ma kana soro dan menene kana goyo abunda baka iya dauko ga wata sabon gara basa yara nake ku zo ku amsa ina magana ku bani amsa suyi suyi sun yi amma sun kasa dan baji ciki za ku kasa zama gani uban da zai ya wasa stop police ya busa waya isa da gurgusawa ni ne ina ga yin masa ku ne kuna ga yin tusa da asara za ku kasa aboki na da na canye yasa saboda mu ba ba 'yan siyasa rapa hausa mu ce rapa hausa zai kai mu nesa babban dodo babban dodo babban dodo shi ne ya zo babban dodo babban dodo babban dodo yara kurugo babban dodo babban dodo babban dodo shi ne ya zo babban dodo babban dodo yara kurugo africa crash mic for the bokonono kodak shut up dai bangai ni sine kodak africa crash mic for the bokonono kodak shut up, put up. I say korekele kirincho Africa spike from a bonkono Sanya mai kalsaweto Wariyang gona kanga mai mayo Igagay bon ha mai te kirincho Africa spike from a bonkono To I know, I they know I know, I mayo no Yadi subay kanan chechi yango zamse kam bangato kolo kagama folo kangin kolo kalama folo bandi solo wala mate ya je solo j'ai du folo bunitolo sandamolo masene bon teise sandakolo niger borey mene nigeria borey mene shut up benin borey mene togo mo borey mene shut up burkina borey mene cote d'ivoire borey mene shut up ghana borey mene cameroun borey mene shut up Ravi El Grinto du Niger et les champions d'Afrique de l'Ouest de la première édition Clash Party du Festival international de culture urbaine Waka Hip Hop. Telle a été la décision du jury Maki, Kenji, David, Cécile Rafa le samedi 20 octobre 2007 au Centre culturel français Georges Méliès. Il a commencé sa carrière en 1998, arrive à Ouaga avec un avantage certain et une solide expérience. En 2000, il enregistre ses premiers titres dans le groupe Illicite. Il rencontre le rappeur Faye, avec qui il se lance dans de nouvelles créations musicales. En 2002, avec Ashraf, rappeur venu de Ouaga, il crée le groupe Zone 1 de Niamey et sort un max de deux titres l'année suivante. Aujourd'hui, El est évolue dans le groupe Awajibi en compagnie de ses frères de son. 2007 sera marqué d'une pierre blanche avec la sortie de leur premier album. Grâce à l'association FOFO, le groupe participe au premier clash national du Niger. El Grincho sera champion, ce qui lui a permis de tourner un clip et d'arrêter un single. Pour tout dire, il sera un dur morceau à avaler pour ses adversaires. Il est 9e sur 300 candidats lors d'un concours de rap national. Africa up Shut up, they bang Africa Shut cut up, up C'était El Grincho Kodok. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, le roi de la trappe, il te réveille hein, de n'importe quelle somnolence. <laughs> Retour au studio dans cette première partie de notre entretien avec Wassim Nasr, journaliste à France 24, expert en sécurité. Il nous dresse l'état des lieux de la situation sécuritaire au Sahel. Il est interrogé par Tarnan Foudé Ahmed, Monsieur Wassim Nasser, aujourd'hui nous voulons nous entretenir avec vous sur la situation sécuritaire au Sahel, l'état délié. En tant qu'expert, qu'est-ce que vous pensez de cette situation Aujourd'hui la situation, euh, on va dire qu'elle se résume euh, à un facteur euh, qui est le plus, plus prenant et qui s'impose de lui-même, c'est la guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda. Parce que pour les deux groupes, c'est ça qui est le plus important. Dans leur guerre, ils se concentrent à se battre entre eux. Hein. On a vu ça s'articuler au Mali, on a vu ça au, Burkina Faso et c'est ce qui leur fait dépenser le plus euh, d'énergie pour voir qui va prendre le dessus. Donc ça a démarré réellement en 2020, ça s'est accentué avec le temps et 2022 était une année charnière parce que 2022 c'est l'année où euh, les armées françaises ont quitté le Mali et où les forces aussi de la MINUSMA ont vu leur travail très euh, limité par les autorités de, de Bamako. Et donc vu que les djihadistes aussi réfléchissent, ils ont compris qu'il y avait une opportunité à saisir pour se faire un sanctuaire à Ménaka. Ça ne veut pas dire que la situation était euh, parfaite avant. Non, qu'il y avait des attaques très dures pour les armées locales au Niger, euh, au Burkina et même au Mali. Mais il y avait une capacité de contenir, de les empêcher de rayonner plus loin. Donc le fait qu'aujourd'hui le Nord Mali, il y a une zone d'exclusion aérienne et donc il n'y a pas de frappe, il n'y a pas d'activité des forces spéciales, ça leur permet de commettre des attaques comme à Tessit par exemple contre l'armée malienne et de bivouaquer à côté. Ça leur permet de commettre des attaques comme on a vu à Kati euh, l'été dernier ou comme on a vu à Sévaré dernièrement. Et donc les deux, ils se battent entre eux, mais ça leur, ça les empêche pas aussi d'accentuer leur rayonnement. Al-Qaïda gagne politiquement parlant parce qu'elle se présente comme la protectrice, on va dire, des populations face à l'État islamique. Et l'État islamique tape aux portes de Menaka euh, et euh, tape aux portes de villes qui lui étaient pas accessibles euh, avant. Donc ça, aujourd'hui, c'est le facteur le plus important. Donc les populations civiles payent le prix une fois, deux fois et trois fois. Parce qu'elle cherche quoi Elle cherche à se prémunir et à se sécuriser. avec qui Avec les forces en présence. Et en l'absence des armées, en l'absence d'une force pour contrôler tout ça, bah, elle se tourne vers un groupe ou un autre, souvent forcé ah, Mais c'est Wassim, il y a moins d'interventions militaires euh, pour protéger les civils. Qu'est-ce qui explique cela selon vous Ce qui explique ça le, plus euh, simplement, c'est que déjà les autorités n'ont pas les moyens militaires et techniques euh, d'agir dans ces zones. Et les zones citées, donc Kidal, Tombouctou ou d'autres, il y a des factions, donc rebelles, qui sont présentes sur le terrain et c'est elles de fait qui gèrent la situation sécuritaire. En l'occurrence, l'État islamique n'est pas présent dans ces zones, donc c'est surtout, surtout Al-Qaïda. Al-Qaïda aussi, elle fait de la politique. donc elle essaye de gagner le, soutien des gens. Donc ils sont beaucoup moins durs, on va dire, que ce qu'ils ne l'étaient avant. Donc ils acceptent de travailler avec les notables locaux, ils acceptent de ménager euh, les populations locales pour gagner leur soutien. Donc on a l'impression que la zone est plutôt euh, stabilisée, même si, il ne faut pas oublier, que d'une manière assez régulière, la MINUSMA est attaquée dans ces mêmes zones, donc à Tombouctou, etc., etc., avec des bombes, avec des attaques. Et donc voilà. Donc la situation, elle n'est pas du tout euh, stabilisée. Ça veut dire ils ont des fois les capacités de faire une, euh, une sortie, faire une attaque, par exemple, et revenir. Mais ils n'ont pas la capacité de contrôler le terrain. Je parlais de Tessit tout à l'heure, donc Tessit attaqué par l'État islamique, et Tessit est techniquement sous blocus. Le seul moyen d'aller à Tessit, c'est via, via hélico. Et le fait qu'il y ait des massacres aussi, ça coupe toute possibilité de négociation. Parce que rappelez-vous, à un moment, euh, les djihadistes, en tout cas d'Al-Qaïda, hein, pas ceux de l'État islamique, et le pouvoir malien avec Ibeka et même avec l'actuel pouvoir, étaient prêts à négocier. Et il y avait eu des tentatives en 2022, etc., pour essayer de trouver des accords, au moins locaux, de trêve, etc. Sauf que le fait est que toute la traînée de sang qui a suivi rend la chose beaucoup moins probable. Aujourd'hui, on remarque une expansion de ces conflits vers le Togo et le Bénin. Est-ce que ça, ce n'est pas une autre dynamique qui va compliquer cette guerre au Sahel C'est pas une dynamique qui va compliquer. C'est une dynamique qui est en cours. cest dire il faut imaginer. Ça veut dire les gens, en général, ils, découvrent quand il y a le coup de feu. ok Mais le coup de feu, c'est pour qui un coup de feu, c'est que le terrain a été préparé en amont. Ça veut dire qu'ils ne sortent pas de nulle part euh, au Bénin, au Togo. C'est qu'ils ont bien préparé le terrain en amont. Donc comme la descente au Burkina était préparée au Mali, la descente euh, vers Togo-Bénin est aussi préparée au Burkina. C'est qu'ils recrutent des têtes. Là, on parle d'Al-Qaïda. Hein. Des gens qui réfléchissent et des gens capables de recruter. Ils les forment, ils les renvoient chez eux. Et chez eux, ils commencent à recruter et à créer des groupes comme au Bénin, comme au Togo, jusqu'au moment où ils sont en capacité de défier les forces de sécurité, ou jusqu'au moment où il y a un accident qui les oblige de sortir du bois. Par exemple, au Togo, le plan d'Al-Qaïda n'était pas d'opérer et de déclarer sa présence. Sauf qu'il y a eu une altercation euh, fortuite, on va dire, qui a fait que on sait qu'ils sont là-bas. Au Bénin, c'est une autre histoire. Le Bénin a été, il y a l'État islamique et euh, il y a Al-Qaïda. Mais ça reste les prémices, on va dire. Ce n'est pas du tout la situation euh, que connaît le, Mali ou que connaît le, Burkina ou qu'a connu le Niger à un certain moment. Parce que le Niger, il faut pas oublier, il est sur quatre fronts. Avant de poursuivre cet entretien, chers auditeurs et auditrices, savourez une autre musique pour le plaisir. Hamada de Eman Kayen. que tu vois les gars d'amour. Aïe aïe aïe aïe. Y'a pas ce qui vient de chez nous. Aïe aïe aïe aïe. Mani mani aïe. Hamada, hamada. Hamada, Hamada. in uwa ta haifu dole ne mu taka hammada hammada ina mutanen gida dole ne mu taka hammada hammada ina samarin gida dole ne mu taka hammada hammada in kira tinfira dole ne mu taka hammada hammada hammada hammada hammada hammada si black noir habillé dans mon bougie Ma sœur dans son togo, tariga balka Quelga jagawa mutaba muku gadamu Avec les voix de tamto, amadan couscous Amadan couscous, amadan couscous Couscous, amadan couscous Inkiret, infiket, amadan couscous Dolim, tomu tata gadamu na couscous Amadan couscous, amadan couscous couscous hamadan couscous in uwa ta haifo tsintsiya Don't dole to mu taka gadon mu na couscous Ramadan, couscous Ramadan, couscous couscous Ramadan, couscous tam to tan deja tan na yar tan na gles dole to mu taka gadon mu na couscous Ramadan, Ramadan. hamadan hamadan couscous in uwa ta haifo dole ne mu taka Ramadan. hamadan ina mutanen gida dole ne mu daga hammada hammada ina samarin gida dole ne mu daga hammada hammada in kira tefiga dole ne mu daga hammada hammada hammada hammada hammada parenté les Atanapoliers Et saluer toutes ces femmes qui travaillent avec art de politique chez nous Tiens pour un terroriste, non Et va à toutes les races humaines Sans te marcher, tu veux oui, c'est le king Et ta magadies, radios, pendu Toujours pauvre et riche, toujours ouvert à tout ça Toi toujours sur un tas de terrain Ici t'as quoi à l'un là-bas de qui Sagement travailler à l'autre Inamazawa kambaza iman kan elai Inamazawa kambaza iman kan elai Inamazawa kambaza iman kan elai Inamazawa kambaza iman kan elai Ina maza imarkan ilai ina maza wakan maza imarkan ilai ina maza wakan maza ta haifu ne mutu mu taka gadan mu na kuskus ne uwa ta haifu tsintsiyan mu na nan dole mutu mu taka gadan mu na kuskus amadan kuskus amadan kuskus couscous hamada couscous dan da na obu tara hasna dan da Am dit sarki mona abzin na je vais réjouis de contrôle les gens de temps pour tout ma couchette carte de la guerre mon souhait serait de construire inkirat ben figat hamadan couscous. dole mufto mutaka gada mona couscous. hamada hamada hamada hamada couscous. uwa ta haifu dole ne hamada hamada couscous. na mutanen gida dole ne mu taka hamada hamada hamada na samari gida dole ne mu hamada hamada in kira tefira dole ne mu taka hamada hamada hamada hamada hamada hamada hamada hamada na mutanen gida na samarin gida in kira tefira in kira Kuskus. ajilwa ya ramadan de ana imas masih hamde ana imas masih ramadan couscous inibda inibdaro couscous inibda inibdaro couscous inkirat infirat couscous inkirat infirat couscous Hamada couscous euh, Mariam, c'est les chants et les danses qu'on exécute la veille du baptême d'un enfant pour l'éloigner des, mauvais, yeux, voilà, des mauvais esprits. Et ça se passe euh, dans l'air. Ah oui. <laughs> voilà. Emankaya veut dire en langue tamashek pilier ou représentation distinguée d'une famille, d'une communauté ou même d'une société. AVBBM Khan est créé en 2004 par Mohamed Oubale alias Macross, Lawan Parizo et Cécile alias Macrissa, deux jeunes rappeurs natifs de la région d'Agadez incarnant l'identité et la culture de la région. Leur premier single sort en 2004 financé par le TCFN de Niamey après le concours scène ouverte rap. Aujourd'hui, ce groupe n'existe plus. Tous les membres se sont lancés dans des activités loin des scènes musicales. C'était Hamada Couscous. Voilà, dans cette seconde partie, euh, nous revenons au studio dans cette seconde partie avec notre invité Wassim Nas. Il évoque la situation du Niger et comment éventuellement lutter contre cette insécurité dans le pays qui se joue sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous du Niger dans cette guerre La situation est mieux qu'avant, qu'il y a un an, qu'il y a deux ans, ça c'est sûr. Mais le Niger reste le pays clé parce que c'est le point de jonction entre les groupes au Nigeria et les groupes au Sahel. Donc même si on sait aujourd'hui qu'il y a des passages, mais c'est des passages, c'est-à-dire sans armes, euh, c'est pas des convois, il n'y a pas de contrôle de territoire. Voilà. Donc c'est important. Mais il ne faut pas oublier que le Niger se bat du côté de Difa, du côté du Tilaberi. Il y a trois fronts quand même au Niger, avec deux groupes différents. Donc on a l'État islamique euh, province Afrique de l'Ouest à Difa, il y a l'État islamique euh, Sahel et il y a Al-Qaïda euh, Jnim. Et donc c'est différents fronts. Le président Bazoum a essayé de traiter ça d'une manière euh, assez ouverte. Ça veut dire qu'il a ouvert des négociations à un moment. Il y a avec certains avec qui ça a marché, donc en l'occurrence certaines, euh, on va dire, unités d'Al-Qaïda et d'autres avec qui ça va pas marcher, comme les unités de l'État islamique. Et donc le Niger est repassé à, l'usage de la force avec ses groupes, avec différentes euh, opérations euh, dernièrement. Ça veut dire que l'approche est bonne. Pourquoi Parce qu'elle est traitée comme une insurrection. Il y a la négociation qui peut être utilisée, il y a le développement, ça cherche l'expertise étrangère, en l'occurrence française, mais ça ne se prive pas de négocier quand il faut, ni de se faire dicter, oui, là il faut négocier, là il faut pas, par quelqu'un d'autre, comme les erreurs qui ont été faites au par exemple, parce que, pour dire les choses clairement, la France a dit non, il ne faut pas négocier. C'était une erreur. Donc ça revient au président de décider quand est-ce qu'il faut négocier et quand est-ce qu'il faut frapper, parce que ça fait partie des cartes utilisé face à une insurrection. Parce que ce sont des insurrections. Ça veut dire on ne traite pas une attaque euh, dans un hôtel, dans une capitale africaine, comme on traite une insurrection. Quand il y a une attaque terroriste dans un hôtel, on sait qu'ils sont là pour mourir, donc il n'y a pas de moyen de négocier, donc il n'y a que la force. Mais quand c'est une insurrection implantée sur un territoire depuis des années, non. Il faut voir, est-ce que les notables peuvent jouer un rôle Est-ce que les chefs religieux peuvent jouer un rôle Est-ce que les chefs coutumiers peuvent jouer un rôle Et est-ce que la force militaire peut jouer un rôle Justement, aujourd'hui, pour la résolution de cette crise, est-ce que a cela veut dire la manière dont on a militarisé cette guerre des eaux euh, s'avère comme un échec. Il n'y a pas un, un, facteur qui peut régler la situation. Il faut que euh, des canaux de négociation et d'échange soient ouverts et voir ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Et négociation ne veut pas dire soumission. Ça veut dire, négociation ne veut pas dire aussi que l'effort militaire s'arrête, ni d'un côté ni d'un autre. Vous voyez Donc la bonne approche est encore une fois d'utiliser tous les moyens à la disposition de l'État pour essayer de trouver une solution. Parce que la militarisation à outrance a prouvé depuis 20 ans face à ces groupes, que ce soit en Afrique, au Levant, en Asie, etc., que ça ne marche pas. Et donc tout le monde aujourd'hui arrive au constat que la force militaire seule ne suffit pas. Monsieur Wassim, l'arrôlement des civils, les milices d'autodéfense, on a vu les cas au Niger, on a vu l'exemple au Burkina Faso avec les VDP. Est-ce que au Niger, ça sera une bonne solution selon vous ou bien il faut écarter euh, les civils de cette guerre C'est jamais une bonne solution d'amener les civils euh, dans la guerre. C'est un aveu d'échec. Ce n'est pas leur travail. Il faut amener les civils sur le terrain communautaire, euh, sur le terrain de tout ce qui se fait en effort civil, mais demander aux civils de faire le travail des militaires, c'est jamais une bonne chose. Vous avez mentionné les, les civils massacrés euh, ici même au Niger, ils n'étaient même pas armés. Moi j'ai vu les photos, ils avaient des arcs et des flèches, alors qu'en face les gars ils avaient des Kalachnikov et des 12-7. Donc elle est où la logique On peut pas former un civil à faire la guerre en plus contre des gens aguerris comme les djihadistes et la frustration que ça crée, ça aboutit à des massacres sur le terrain et à des exactions. Parce qu'un militaire en général et normalement respecte euh, les droits de l'homme, respecte même euh, ses ennemis parce que la règle, la guerre a des lois. Et donc si on a implique des gens dont ce n'est pas le métier, c'est jamais une bonne solution. En tout cas, d'expérience, après avoir suivi plusieurs théâtres de, de conflits, ça n'a jamais arrangé les choses. Merci pour ces explications. Espérons que la paix et la sécurité sera au rendez-vous dans un futur proche. Avant de continuer le Niger sur Kalango, marquons une petite pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangou, co-animée par Rabi Mekano et Maria Madé. Et eh oui, aujourd'hui, de notre rubrique environnement, nous allons parler de l'importance d'aménager notre cadre, de vie avec ingénieur des eaux et forêts, Colonel Mohamed Koulibaly Adamou, directeur de la salubrité urbaine à la Direction générale de la salubrité urbaine et de l'amélioration des cadres de vie. Il est interrogé par Assoumana China. Le cadre de vie, c'est l'espace dans lequel nous vivons, en harmonie bien sûr avec euh, la nature. Le cadre de vie, c'est l'air qui nous entoure, c'est le sol sur lequel euh, nous sommes, l'eau, les rivières. Pratiquement, le cadre de vie, si vous voulez, c'est l'environnement dans lequel nous sommes avec tout ce qu'il a comme composante physique, ce qu'il y a l'eau, l'air, le sol, euh, tout ça là, et les composantes humaines, ce que l'homme a construit. Mon cadre de vie, donc, c'est ma ville, ma commune, mon quartier, mon domicile. Le cadre de vie, c'est les routes que j'emprunte pour aller au service. C'est l'école dans laquelle je dépose mes enfants. C'est le marché où je vais faire mes achats. C'est le centre de santé où je vais me soigner si je suis malade. C'est mon lieu de travail. C'est ma fada. C'est chez mes parents. C'est chez mes amis. Bref, le cadre de vie, c'est le milieu dans lequel je mène mes activités. C'est le milieu dans lequel je vis tout simplement. Quelle relation existe-t-il entre le cadre de vie et l'homme De prime abord, sachez que le cadre de vie est d'abord un milieu physique que l'homme a trouvé et aménagé. Donc le cadre de vie est construit par l'homme, notamment en matière d'aménagement. Au Niger, nous avons deux types d'aménagement du cadre de vie. cadre de vie urbain, comme la ville de Niamey, et le cadre de vie rural, n'est-ce pas, à Niamey, on a le cadre de vie urbain, dès que vous circulez, vous voyez-vous que les voies sont bien tracées, le lotissement est bien fait, tout est cadré. Avec un milieu rural, il n'y a pas de lotissement. Donc, euh, l'homme aménage son cadre de vie. Donc, globalement, au Niger, nous distinguons deux types d'aménagement du cadre de vie. L'aménagement urbain et l'aménagement rural. Si vous prenez une ville comme Niamey, la différence est bien nette. Nous sommes dans un aménagement urbain, mais il y a des parties de Niamey dans lesquelles la limite entre l'aménagement urbain et rural ne se voit pas. Donc, l'urbain et le rural fusionnent. Nous avons aussi l'aménagement urbain selon les activités économiques ou politiques. C'est ce qui nous donne souvent des capitales économiques, comme la ville de Maradi, une ville dominée par les activités commerciales et un aménagement politique, comme la ville de Niamey, où tout ce qui est administratif et politique y sont. Quel doit être le comportement de l'homme vis-à-vis du cadre de vie Puisque l'homme aménage son cadre de vie pour lui-même. Si mon cadre de vie est malade, la relation est que je ne vis pas seul, je vis avec d'autres personnes. Donc il y a une norme, il y a une loi, il y a une règle. Et en matière d'aménagement urbain, il y a les règles d'aménagement. Mais nous, en ce qui concerne, c'est les règles d'assainissement urbain. Donc, si vous circulez dans la ville de Niamey, vous avez avoir l'impression qu'il n'y a pas de normes en matière d'assainissement. C'est vrai, la mairie a fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les moyens. Mais les gens font ce qu'ils veulent. L'assainissement, c'est vrai, le code des plus les est individuel, notamment les déchets solides et liquides. Mais les déchets liquides sont carrément déversés dans la voie. Donc, vous salissez votre cadre de vie. Vous donnez votre cadre de vie malade. Vous allez tomber malade forcément. Votre cadre de vie doit être aussi en bonne santé que vous-même. Donc, si vous détruisez votre cadre de vie, forcément, votre santé va en payer. Donc, la relation entre cadre de vie et l'homme sont directes. L'un influe l'autre. Si je dégrade mon cadre de vie, je le paye cher. Et de façon mondiale, ce que nous voulons en matière de changement climatique, nous avons détruit le cadre de vie mondial et le climat est en train de changer rapidement et on en souffre. La preuve, on a toujours chaud. Qu'est-ce que le ministère de l'Environnement fait pour améliorer le cadre de vie de la population Nous travaillons actuellement sur trois principes. Le premier principe, c'est le principe STPC. STPC, c'est la salubrité totale pilotée par la communauté. Si mon enfant est malade, je n'attends pas que quelqu'un le soigne. Je le prends, moi-même, je l'amène au centre de santé. Si ma rue est sale, pourquoi dois-je attendre la ville de Niamey, la mairie, pour la nettoyer Non. Donc STP, ça veut quoi Je n'attends pas que quelqu'un vienne nettoyer ma rue. Donc je ne salis même pas pour que quelqu'un vienne me la nettoyer. Mais malheureusement, les gens salissent et quand quelque chose de mal arrive, on commence à crier Ah, c'est la mairie, ah, c'est l'État, alors que c'est nous la principale cause de ce problème. Le deuxième, la RTPC, reboisement total piloté par la communauté c'est pour les plantations d'arbres d'alignement. Dans ce cadre de, ce concept, nous insistons les populations de l'ensemble du pays à planter des arbres chez eux et devant chez eux et dans toutes les rues possibles. Planter des arbres, ça permet d'avoir beaucoup d'ombrage, ça permet de, réduire même l'écoulement des eaux. Du coup, ça permet de baisser la chaleur. Donc, euh, le troisième principe, c'est le principe Chara. Si vous roulez 100 km autour de Namibie, tout ce qu'on a comme espace végétal est détruit. Les arbres sont détruits parce que les habitants de la ville de Niamey utilisent le bois pour faire la cuisine. Donc tout est détruit. Maintenant, donc l'homme aménage son espace de vie de Niamey, il améliore son cadre de vie de Niamey et, il détruit le cadre de vie rural. Maintenant, nous, à l'environnement, on a dit comment faire pour corriger ce problème-là. Et l'idée est venue sachant que les déchets contiennent certains éléments nutritifs pour euh, fertiliser le sol, on sait dit avec ces déchets-là, on peut surter les terres Du coup, nous prenons les déchets qui constituent un problème de la ville de Niamey pour amener, déposer sur des terres dégradées autour de la ville de Niamey, pour régler un problème de dégradation des terres à la périphérie de Niamey. Donc d'une pierre, deux coups, peut-être plusieurs coups, puisque Niamey a détruit, Niamey aussi peut reconstruire. Sachez que vivre dans une ville n'est pas aisé. Nous menons des activités de sensibilisation à l'échelle nationale pour que les gens prennent conscience que le cadre de vie est le facteur de développement d'un pays, mais aussi de l'individu. Merci bien China. Mariam, je crois que c'est le moment de faire un clin d'œil aux artistes nigériens de la diaspora avec le titre Hassan Boukari de l'artiste Hassan Boukari. Allah la ilaha ya Allah Allah la ilaha ya Allah ya Allah ubangiji mai iko Allah rabbana na gode Eh Eh Allah la ilaha ya Allah Allah la ilaha ya Allah ya Allah ubangiji mai iko Allah rabbana na gode Eh Eh Baban nana yayan gambo Hassan Bukari kana rakiya dan nana shi kan hantu shi kan Hassan na birnin tanin eh Hassan Bukari eh Hassan Bukari baban nana Hassan Bukari yayan gambo Hassan Bukari kana ya dan Bukari shi kan Shaudi shi kan Hassan na birnin Bambai ban na bushe idan ka ne ban na ga idan na fi ka samun kai fa samu na ne birnin ke fa far'a a je masu da ce sai Allah Allah ubangiji shi Allah shi yayyo hasan hasan hasan nono gitar taka sosai haka nan ne eh taka sosai mai kalango kaɗa mini sosai eh, ga murya nan ga muryar ɗan da margo Gamariana, Gamariatan Tawa. Hasanono. Banayanga, Agaya no Banayanga. Hasanono. Banayanga, Agaya Masu Banayanga. Eh, Papandodo, Kanang Amina Tomajo. Hasanono. Papandodo, Abokem Mare Jamarau. Hasanono. Papandodo, Abokem Alhaji no, Hasanono. Papandodo. abokin mustapha kwande baban nana abokin sa'id jori baban nana abokin mark nagel Sam Boukari est un ancien journaliste. Il fait partie de la première génération de journalistes de radio et télévision ténérés à sa création dans les années 90. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis où il passe son temps entre les studios d'enregistrement dans sa propre maison de production. Hassan Boukari de euh, l'artiste Hassan Boukari. Capture d'Osso à présent où un jeune passionné d'automobile a créé son propre engin. Oui, Mariam, la jeunesse nigérienne innove à travers des créations. À Dosso, un jeune âgé d'environ 30 ans a créé tout simplement un véhicule qui roule à essence. Et eh oui, bébé, avec plusieurs objets de récupération sur d'autres engins qu'Ibrahim Hamza a assemblés pour en faire un véhicule. Suivez ce reportage de Nana Hadiza Hassan pour plus de détails. Ɗan shekara talatin da haifuwa Ibrahim Hamza ɗan asalin garin Doso ya kera mota ne da kayayyaki iri daban-daban da ya samo daga waɗansu tsaffin motocin. Allah ya bashi basira ta kirkire-kirkire. Ibrahim ya bayyana mana yadda ya fara aikin kanikancin nasa. Ga abin da na fara yi wuta ta hitila hakan ga can makaranta nika zan ina iya haɗa amful ɗa biyar ko ɗaya shida haka sai in yi musu kwantak ina zantar dawa to cincin dai na fara haɗe-haɗen huta haka don nima ban yi karatun aikin huta ba amma ina yin sun ta ɗakuna ta duk dai daidai gwargwado dai da Allah bada kaɗan kaɗan na ni ta sayan kayan nan dan an kai shekara ma hannu ka haɗa su tunda wani bima ma in na buƙaci kuɗi wani bi ma sai na ce mai gida shi ne ya kayan wurin da aka kashe mota tana da ka zuwa na samu abubuwa kaɗan kaɗan sai ni kama haɗawa kayan da mun kai lissahi mun sa kayan mota mun sa kayan moto na sa kayan a daidaita golon na mota na wat ita ma ta mota ta injin shi kuma na motuwa na kasiyana duk da haka ibrahim ya ce yana fuskantar wahalhalu daban-daban na rashin kayayyakin aiki isassu da zai ba shi daman inganta fasahar tasa sunan da nisa mata kamar nisa lakurusu kwara tagi doso injimin kasiyar yana gari ta kuma tsohon motar na gaskiya don kama kamar shi na an kawo da mata gaskiya shi na ɗaukar lokaci shi na tahiya tunda matsalar ta dai injin kawai ka samu gida naka kuma ka samu kayan aiki ga yara kuma masu kamawa sai abubuwa shi ta ci gaba Alhaji Abdullahi wanda shi ne malaminsa ya shaida irin kokarin da matashin ya yi tare da ƙara masa ƙarin gwiwa na ci gaba da aikinsa. To lalle fasahar nan tashi inda ya samu masu kama mai mutum ne mai kwakwaran aiki kuma ayyuka da yawa yana yana sa hannu cikin su kuma suna yi. Tunda yanzu wani kamera kin ga da wani komi da shi ke haura mana su. To ya koma ya yi fasaha haɗa karahun na yayi wannan mota. Ni dai iyaka ta yana cewa dan tamu lafa mai kyan kuɗin da ya karɓa garan ina bashi guda guda yana ci gaba da sayan karahunan nan yana yin aikin. Lalle yana da kokari kai inda ya sa sa hannu lalle ana sa tsammanin tun ne mai fasaha ya yana kiro abubuwa da yawa in Allah su. Wada yake Ibrahim Hamza bai samu wani takamaiman horo ba a fannin kanikanci amma ya samu fasahar kirkira-kirkire daban-daban duk da haka yana fatan wata rana za a karfafa masa domin baje basirar tasa. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Attaquons la page sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou qui vient juste de nous rejoindre. Bonjour Adam. Bonjour Rabi. Alors Adam, en football, nous connaissons désormais les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe nationale. Oui, effectivement, le dernier quart de finale qui avait opposé l'équipe d'Akokana d'Arlit contre le FC Liberté de Niamey a conduit les deux acteurs au tir au but. C'est finalement l'équipe des miniers d'Arlit qui l'emporte et rejoint les trois clubs de la ville de Niamey, à savoir l'AS l'association sportive de l'université Abdou Moumouni de Niamey et l'association sportive de la Garde. Les gardes seront d'ailleurs les futurs adversaires des miniers dans une phase qui sera cette fois-ci jouée en aller et retour. Adam Lakokana Darlit est visiblement, est visiblement la seule équipe de l'intérieur du pays dans cette compétition. Oui, Mariam Lakokana, qui d'ailleurs est un habitué de ce dernier carré de la Coupe nationale du Niger avec son palmarès de deux finales jouées, dont une emportée. Partons à présent en Europe où s'est joué hier le match retour de demi-finale de la Ligue des Champions entre l'Inter Milan et l'AC Milan. Oui, Rabi, c'était les deux meilleurs ennemis du foot qui se sont rencontrés dans un derby 100% italien. C'est l'Inter Milan qui l'emporte sur le score de 3 buts à 0 sur l'ensemble des deux matchs et se qualifie en finale après 13 ans d'absence. Eh bien, Adam, ce soir, le Real Madrid se déplace en Angleterre pour défier Manchester City. Le Real de Madrid après avoir concédé un match nul, un but partout, à l'aller, va tenter de se qualifier sur le terrain de Manchester City ce soir. Les hommes de Pep Guardiola sont bien conscients de l'enjeu de ce match, éliminé plusieurs fois à ce stade de la compétition. Ce match promet un spectacle fou, digne d'une soirée européenne. Et eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Rabi, Merci Adam, on se dit à bientôt pour une autre page sport. Après les sports, nous allons découvrir notre star du jour dans la rubrique Portrait. Oui, Mariam. Abdourahman Boubakar, âgé de 34 ans, est diplômé en ingénierie financière dans une grande école au Maroc. Aujourd'hui, il est coach certifié chargé d'accompagner les entrepreneurs, aussi responsables de son propre cabinet, qui aide les jeunes à la création d'entreprises. Pourquoi Abdraman a décidé de se lancer dans ce domaine entrepreneurial Il répond au micro de Habib Garba qui est allé à sa rencontre à Zander. Je suis diplômé euh, de l'école management du Maroc. J'ai un, ingénieur donc, j'ai commencé euh, dans les banques. Malheureusement donc c'était pas là-bas et euh, après j'ai constaté vraiment que le domaine de l'entrepreneuriat c'est la place là-bas. Mais vraiment la notion entrepreneuriale, c'est à la banque, je l'ai appris parce que je suis resté au service crédit, au service commercial. Vraiment, il y a eu cette euh, interaction. Alors, euh, dites-nous les difficultés que vous rencontrez dans le cadre du coaching des jeunes entrepreneurs. Ici à Zander, pour le coaching des entrepreneurs, c'est euh, surtout axé sur la création. Avant, les gens n'avaient même pas notion de la maison de l'entreprise, de la chambre de commerce. Vraiment, aussi cette création de l'État d'un environnement favorable à la création d'entreprises. Maintenant, donc, nous vraiment, au fil du temps, il y a beaucoup de gens qui venaient chez nous pour s'informer par rapport à l'environnement entrepreneurial. Donc, depuis 2018, euh, c'est ça même nous ce qui nous a poussé de créer. En 2019, le cabinet, c'est vraiment facile de créer votre entreprise il suffit juste d'amener vos pièces d'état civil et juste un montant de 17 500. Avant, il faut dépenser jusqu'à à peu près plus de 70 000, 80 000 francs. L'entrepreneuriat, n'est pas uniquement investir ou créer, c'est surtout ces cycles de résistance, comme on l'a dit, ou de persévérance. Donc, en résumé, c'est vraiment pour expliquer aux gens qu'il n'y a pas de grande difficulté. C'est ça ce qui... Exactement, c'est ça l'activité du cabinet. C'est un peu expliquer aux gens, leur mettre cela va pour leur dire que non, maintenant la création d'entreprise c'est très simple. Et aussi on le coach pour qu'ils puissent résister parce que c'est pas beaucoup de gens ils créent avant là ils déposent les papiers. Non, nous on ne trouve pas de marché, il y a l'impôt qui nous dérange, etc. Le monde entrepreneurial c'est un monde de persévérance. Il faut s'adapter dans Donc, la vous région. Avez décidé vraiment d'aider la jeunesse. vraiment, j'ai constaté que euh, on a des difficultés. Vous voyez, j'ai un master, mais le moment au retour, je vous ai dit, c'est des stages. Même les stages, l'accès est difficile pour certaines personnes. Aider la jeunesse, s'engager aussi dans la jeunesse en tant que jeune, je vois un peu la difficulté d'accès au marché du travail, de s'autonomiser, comme on l'a dit, donc s'engager à faire une activité génératrice de revenus. Vous avez une idée des nombres de jeunes entrepreneurs que vous avez coachés au niveau de votre cabinet Environ dans le 90, ça c'est juste accompagnement, mais aussi il y a ceux qui passent, par exemple, il y a pour la rédaction du plan d'affaires, il y a aussi euh, l'accompagnement pour que la personne puisse se formaliser par rapport à son entreprise. La personne, s'il a une entreprise individuelle, on lui explique un peu l'avantage d'associer d'autres personnes. S'il a des difficultés d'argent aussi, on coach les gens pour accès au crédit bancaire. Comment vous voyez euh, l'avenir de l'entrepreneuriat euh, au vu de ce que vous êtes en train de faire pour les jeunes Je pense bien l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui donne et c'est un domaine qui ne manque pas, c'est-à-dire ça montre. Parmi ceux-là dont on a accompagné, il y a beaucoup de gens, on voit le résultat aujourd'hui dans la région. Vraiment, il y a un avenir ici à Zender parce que c'est une région où la plus peuplée ici au Niger et en même temps donc la jeunesse quand vous voyez le taux même national il y a plus de jeunes donc vraiment ça a un avenir parce que les gens voient vous voyez un peu maintenant dans la ville à Zander c'est n'est que le marché là avant Dolé et qu'avant qu'on rénove là les gens que des anciens quand vous partez déjà quand tu élèves les gens vont dire bon c'est à l'école parce que c'est historiquement c'est une ville administrative les gens vont beaucoup se donner à aller à l'école et revenir et aussi une ville religieuse aller à Makaranta mais maintenant ils ont vous allez voir vraiment avec l'avènement aussi du pétrole, etc. Beaucoup de gens devant la rue voient, ils se débrouillent. Petit à petit, ceux qui sont dans l'informel et ceux qui sont dans le formel contribuent au développement socio-économique du pays parce qu'ils créent de l'emploi, des opportunités, un peu tout ce qui est économique. C'est des gens qui appuient vraiment l'entrepreneuriat. Chers auditeurs et auditrices, allons sur notre dernière balade musicale de ce matin. Bibi, tu nous proposes quoi Mariam, nous allons remonter le temps avec le titre Est, Ouest, Nord, Sud du groupe Block Black Daps. Yeah. Est, Ouest, Nord, Sud, guérilla lancée, microphone chargé, pas défoncé qui représente un danger pour la frontière quittée. Passé à Niamey, Niamey, Niamey, Niamey, Niamey, Est, Ouest, Nord, Sud, ma lancée, microphone chargé, bras défoncés. Tout ce qui représente un danger pour la frontière quittée. Passé à Niamey, Niamey, Niamey, Niamey, Niamey, c'est la fin des temps, des temps touchants, de décor. Tout ce qui est à Nord se transforme en phosphore. La jeunesse affronte dans un style corps à corps. Lâche le hardcore, esprit, ton désaccord. Après le corps à corps, le désaccord, les pas le record.

la boku na sasa Hey yo, hani ga dani ga ma Densi bini ma wa Sa mera se foru fa Din na mic sa Din se tani fa Din black dot killer You see daddy Rasta Represent Costa Nostra

un moins rappeur, un moins qui guérit les débuts. Yo, pasta, Reneka, Mike and Nessa, I'm a lala, Babu Shaka, Satama Yami, conga. Koka, Konga, Batamanurika Habu, Katarpinam, Gafara, Gafara, no Fondo, Walanum Sakwari, Ibaranya Pilana, Gota, Bill Passi, on est unis forever, ever, Renega, of the faisami Kosi tahi, sinda tali, rap Babi say nir jwa nir masa, yir ko yir ka Yir ko nir faba, babi say ka fada zarga, yir zu to charga da ne, tilet Bada nin bina tono mo kalma ko Gam ya ir basi bin bi, min no dala mu hamo Yir ko sika Yir ko ya basi, nega Est-Ouest lancé, guérilla lancée, microphone chargé, bras défoncés tout ce qui représente un danger pour la pompe quitté, passé à Niamé Niamé Niamé Niamé Niamé Est, Ouest, Nord, Sud, guérilla lancée, microphone chargé, bras défoncé, tout ce qui représente un danger pour la a quitté passé à Niamé Niamé Niamé Niamé Niamey, yo, bon, tout wrong, tout le silence est archité mon flow est engagé, opinion partagée, ma cause déterminée au microphone, Le Lucifer qui toujours décidé, mais chaque fois confronté Au limite du système, man, seul contre tous, ma mission est yo Fait tout, perso, mon poussi, manie les mots, sur ce but African soldier, paré pour la guérilla. déjà tout à l'heure exemple. Ce place de mes ma section black tap de guide porte de ton Après le corps à corps, rêve le désaccord, nous la avant le record. Sous ce beat corps ma section c'est la mort. Soldat du hip hop en pleine action. Arme de ma passion, je le marque en possession. Possession, possession, possession, possession, possession. Les gars, est, c'est non Maria. Tu connais ce groupe Là, je t'aime bébé à âge là Connaisseur connaît ce groupe, il a fait danser les mélomanes nigériens. À Niamey, c'était quelque chose, un hein. bloc Black Daps Au début des années 2000. possession, je lui marque à possession, possession, possession, possession. Merci, merci Saini. Je reprends mon souffle pour bien finir cette émission. C'était Est, Ouest, Nord, Sud du groupe Bloc Black Daps. Écoutons à présent le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu. Mariam Aujourd'hui, Rabi, les loti parle de l'importance des petits commerces pour, par les femmes pour arrondir les fins de mois. Samira Rouafi et Hawa Ousmane nous en disent plus. <laughs> Lottie Lottie loti. Loti. Loti. fofo ai bora iske ago maisi matin ka kani samai dai no fadima mata ga hamni goba ne. alhamdulillah mata goyo aran gingar ba Ba ni samai dai no walla ai ga milmu agan buwa gan duka gingar ba bani mai wala ah alhamdulillah to kai yesi a ah, yesi man san ki ne son kala dai suru zamayya wallahi gingaro kan aka Hmm. ai kurkan ga tunori kan gaisi kan da ka ba ai banando a kulu ainu gingiro wose ni gisiro kulkan ni teban gingago harakara hmm. maimu dama ma kan ai kino ai ni se badal no sai seson wo kulkan gono a kul pat ai ni kulwi gingiro alfarmara fadima ai man fa mai mandi ai go ni se no ni goga te zangan sigma ai ne ni se badal sino kan ni ka zankai wani alkirkara ikolo e wana kul sai sin kan ai go noro kul kan ni gabai banando alhamdulillah a kulu kwe <laughs> ya dinga dai fanu wani banando wa hinna wani goka ba wadin banda nisin da soke fo kul kan gote kan kan din seno hey memu ayo hay kurno sigite kan ka goyodin godin dai no ayi gote inga mo da hando bu e mai bana hay kul kan gode gote wallahi a kul barando ra dai na gofun aha son kun ne fam han kan seno hal hando ga bunu wani gijin gabuwa sai mi o kenan no kan ka kan ka do ni gwanda haifo kan go katin sinoro o me ai gwanda so ke kai ni fo kan ai ai ne buti gizi feri window me zan kai ne ne ni nisbai kan son lokaco kan borgine ni mu kai ga banan da hinna batu lokaco din bisa wadin don sanni nomi hai magom ne oho kenan nuwa so ni gwanda ba fato kan fo kan ni go so bai gite koi bere ayya wala noro kan gudu ai do inga dai ne godi fo manda ayo man taran ki ne banan duk kan go gudu ilko de mar barka da ngaga kan ne ka ai murade hay sin gite so sin gite banan do de zaman woro asu sai sai mai no ne sai borgon do no bo bukata dinga banum so ke zaka ni fute to ai faman de me ni di son zamanu kan ra irgo nur kai ne zufu no ni gudu ni ga nim du ni so ke zufu kan ni gisi ba haifo yan noni gidi ga hawa ga gisi kan din sai no ga bisi nima nim nim so bai ka bani gona banan ba. hey nigi kimfa ai kai di di wat kun woy boredin hay foyan goy si kunsum kunsum yalle da yarra hay bankare yande zankita am kai ne kai ne he afo nigdi ba zirigi iga da lede rakate gusu be gnir uh, goyedo oho wiza kino haya gote da o me son woy bore gwani ceci kwai ni gwanda bayan kan yi yigite kwai ni haya ga bore hey memu wallahi sabu se ay ga sabun si ya mare kan na tayse insha Allah ay mu sun ay ga sintin gila sabu hal ifo ne ga sintin gnere to madalla wadin no bori ni di wadin ganan bo hal hando gubo ni gudu haifo kan ni gisi nim dogin murada te nim boryan mo muradu feri koy ni ni gikim wallahi ni gikim won de ne kaga sintin ai mo kai gidi ai sintin hawa hawaran se ton yanta ta yen da yazi yazi aran gidai me wala <laughs> irga dai problem sara to <laughs> ai zabu ni se mai mu ko dai mu diri se wallahi mo gisintin ga hawa hawa kai ne kai ne gidi ko dai mu diri se amina Merci à l'équipe femme du studio Kalangu. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Alassane Abdou qui nous explique les contours de l'expression conférence de rédaction. Alassane Abdou est le rédacteur en chef du studio Kalangu. Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez de me prononcer sur un mot, un mot qui nous concerne tous ici. Vous savez, euh, ce qui euh, étonne beaucoup la population, notamment nos auditeurs et nos auditrices. Chaque jour, les gens se posent la question comment les journalistes font pour trouver des informations, pour organiser ces informations et venir les diffuser à l'endroit de la population Eh bien, c'est très simple. Ces informations se décident, s'organisent et anglais à travers ce qu'on appelle la conférence de rédaction. Le mot d'aujourd'hui, c'est quoi une conférence de rédaction une conférence de rédaction est une réunion tenue régulièrement par le directeur d'une rédaction ou le rédacteur en chef d'une rédaction afin de discuter et de choisir les contenus qui seront publiés dans la prochaine publication du support. Ça peut être un journal parlé, ça peut être la télévision, la radio, etc. etc. Donc, une conférence de rédaction est un élément important du travail nécessaire pour la rédaction d'un journal. C'est une réunion de travail au cours de laquelle les journalistes des médias se rassemblent pour parler et décider des traitements qu'ils vont apporter à l'actualité. matakan da nake da sun eh, anasar saniga alwat fayara irgir boha wani wani ruwan hangana boray alborai da waiborai kulkin gai boha matinu labarin kai gogite kudu labari yanki su kun ka hansi kagatondi irne kan wadno hala ko gate kali margane fote ka sigran sarki ga conference de rédaction. il faut conference de redaction amman tikal margane gite ragera wal tire kan fatka bori no labari do wal television do suballahu kulkan labarno kagito

Ni ne Rabi'u Buzuzu garin take goma sabuwa. eh labaran studio kalangu muna shauraren shi yadda ya kamata saboda akwai abubuwa da yawa wanda ake yi a cikin mu wanda bamu san da su ba amma ta hanyar wannan labaru muna jin labaru yadda ya kamata to yanzu abin da nake so su dan kara kamar daga lokaci bi saboda muna samun abubuwa da yawa ta radio studio kalangu akwai abubuwan da bamu san da su ba amma ta wannan labaru nasu to gaskiya muna jin daɗi cin cin karfi wallahi abin da ke cikin ƙasar ku komi da komi kuna shaurare kai na ƙasar duniya ma duka gaba ɗaya kuna shaurare kawai eh kaji abin da zan ce ma Malam Sa'idu. Eh sunana Simisin Kore. Eh gaskiya ne Sa'idu labarin nan na Studio Kanangu wallahi suna kayatar da mu. Mu wannan jin daɗin mu ne da Allah ya sama har yadda nan ta mu ta samu nan ƙarin garat. Ko ina N'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 82 89 89 64. Point final de cette édition de ce 17 mai 2023. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et la technique par Seni Isaka. Très bon après-midi à vous. Mais